Oui, euh, pour le moment, je peux dire qu'on se sent très bien. Voilà. Après, la dernière, la dernière canne, euh, on l'a, pris. Après, voilà, c'est pour nous, c'est passé. Là, on se concentre euh, sur l'avenir, sur le futur, sur la canne. Donc après, on va pas dire ouais, on est champion. On, doit forcément le gagner parce que il y a 24 équipes, tout le monde veut gagner la canne il faut se concentrer à 100% ou 200% donc pour essayer de, de, le ramener encore à la maison, donc euh, pour essayer de, de le gagner la deuxième fois. Je, sais que ça va être compliqué, ça va être difficile, mais on va tout faire pour, euh, pour réussir. Que je suis champion et je vais aller là-bas pour euh, jouer trois matchs, quatre matchs, non. Là, on va, on va là-bas pour défendre notre titre, donc pour essayer de le garder. Et, le plus longtemps possible. Ça va être, euh, ça va être compliqué parce que tout le monde nous attend. Donc, euh, je pense que ça va être compliqué, mais nous, on est des Sénégalais, donc euh, on a peur de personne. On se sent, très bien. Donc là, on va là-bas pour défendre notre titre. Donc, on va pas là-bas pour des vacances ou pour jouer quelques matchs. Donc, on est là-bas, on va là-bas pour jouer tous les matchs jusqu'en finale, pour gagner la finale pour le ramener encore à la maison. Oui, c'est des, jeunes euh, talentueux, donc euh, voilà, après, ça ne veut rien dire ils sont jeunes, ils, voilà, dans leur club, ils jouent, ils sont, voilà, ils sont des professionnels. Donc, euh, eux aussi, ils sont là pour essayer de gagner des titres comme nous. Donc, nous, on va accompagner les jeunes qui viennent d'arriver, voilà, pour leur montrer comment ça va se passer, comment ça s'est passé la dernière canne aussi donc euh, après c'est des jeunes qui apprennent vite donc. waaw euh, pour ñun moom ñu ngi koy waaj ñu ngi koy waaj bu baax donc kan euh, bi presque agsi na ba paré donc ñu ngi koy comme ni ñuy waajee comme ni ñuy waajee kan bi passé donc xam nañ ne kan nous dina metti trop nous metti trop mais ñun dañuy dem fofu pour def tout pour gañawaat ko pour indiwaat ko Sénégal inchallah wa waaw nañ wax ni waaw dernier camp ñun ñoko jël ñoy champion d'Afrique en titre donc euh, buñ démé fofu du question dañuy jéma montrer yeneen équipe voilà ñun ñooy champion ñun ñooy champion non non la équipe buy def non jéma buñ naan ma naagu ci olof xawma ma mun ngaa passer à côté wa ku naagu daagu donc mun nga passer à côté nous on va là-bas mais on va pas mettre dans notre tête <laughs> dañuy dem fofu mais duñu def suñu tête voilà ñun ñooy champion d'Afrique non non ci kan bobu lañuy def lépp suñu bépp xalaat pour jéem a def le tout pour gagné ko indi ko Sénégal no allah. kan bu metti rek ndaxte du ñun dong bëgg a gagné ko bi donc euh, équipe yëpp ko bëgg a gagné donc sa va être compliqué.